nous considérons la leçon 103 intitulée La parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain. Est-ce que quelqu'un a déjà appris le verset à mémoriser Il répondit et dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons tous lire Luc 10, 27 Luc 10, 27. Il répondit, tu aimeras le, Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Un bon lecteur pour notre test. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui répond, lui dit, Qu'est-ce qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais, lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Merci, que Dieu vous bénisse. L'étude du jour aujourd'hui est centrée sur une question d'importance éternelle. Posé par le docteur de la loi. Mais il n'avait pas posé la question pour pouvoir apprendre, mais la vie dit c'est pour éprouver le Seigneur. Il a dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Et en tant que chrétien, hein, le sien en vie, c'est une question qui doit résoudre dans nos cœurs à tout moment. Comme nous venons à l'église pour adorer, poser la question Seigneur, comme j'adore ce matin, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle comme tu as ta dévotion familiale, comme tu as ta vie, ta dévotion personnelle, tu pour la question Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Nous avons vu aussi avec la question posée, Jésus a répondu. Il, nous a expliqué qui est notre prochain. Et aussi, la dernière session, nous voyons l'histoire de Marie et de sa sœur. Marie s'occupait de beaucoup d'activités. Marie a choisi la chose nécessaire. Et le Seigneur a félicité Marie. Il a dit une chose nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Ma prière, c'est que nous puissions choisir la bonne part au nom de Jésus. Et pour nous qui avons choisi la bonne part, nous ne devons pas laisser les activités de Marthe nous distraire. Il y a trois points à considérer. Premier point, la place des questions et réponses dans les Écritures la place des questions et réponses dans les Écritures. Après, nous verrons le portrait du bon voisinage. Troisièmement, la prééminence d'écouter la parole au-dessus du service. Le premier point, la place des questions et réponses dans les Écritures. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu Voyez cet homme, un docteur de la loi, se prend pour les hommes inscrits, instruits. Il est venu vers Jésus et dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle l'on aurait pensé qu'il posait avec le cœur de sincérité, mais le récit des Écritures nous montre que son intention était pour éprouver Jésus. Maintenant, Jésus lui dit qui a-t-il écrit dans la loi Frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, comment lisez-vous Est-ce que vous lisez avec l'intention de vouloir comprendre ce que Dieu vous dit ou vous lisez pour trouver un point pour utiliser contre quelqu'un que lis-tu Quand tu lis, Seigneur, ouvre mon cœur, rappelle-moi, pose la question, ouvre mon cœur, mes yeux pour voir les choses de la parole. Et le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses au nom de Jésus. dit le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses au nom de Jésus. Vous voyez Jésus. a dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Jésus lui a dit qu'il a bien répondu, mais il a continué, il voulait toujours se justifier. Il dit maintenant qui est mon prochain Voilà l'histoire, la parabole du voisin. Question numéro 1. Quelle est la place des questions dans les Écritures La place des questions dans les Écritures, c'est pour l'illumination. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez que Jésus-Christ, on lui a posé beaucoup de questions et il illuminait, il donnait les réponses aux gens. Et les questions aident à nous illuminer. Et nous remercions l'Église pour le temps des questions-réponses. Quand les questions sont posées, nous comprenons mieux les Écritures, nous comprenons mieux l'enseignement. Mais ce que nous devons comprendre, en répondant aux questions, nos réponses doivent être basées sur les Écritures. Nous devons chercher quelque chose qui est hors des Écritures. Tout doit être basé sur les Écritures. Nous devons viser à conduire celui qui pose la question à une profonde conviction, l'obéissance et l'engagement à Dieu. Quelqu'un pose une question dans le district, dans le groupe, ou quel que soit là où il se trouve, et de sincérité. Nous devons veiller à conduire la personne à une profonde conviction, après d'engagement, après d'avoir répondu à la question de la personne, tu me demandes, frère, est-ce que tu comprends maintenant Ma soeur, maintenant, est-ce que tu comprends Nous devons également comprendre en répondant aux questions, nous devons éviter des questions insensées. Il y a des questions qui sont posées dans l'intention de vouloir générer des disputes, générer des argumentations. Et donc, nous devons éviter des choses pareilles. Nous devons éviter aussi de poser des questions pour tester la connaissance de celui qui est là. Et le nous aidera au nom de Jésus. Nous allons maintenant voir les principes. Énumérer les principes qui doivent guider les questions répondant dans l'Église. devons répondre aux questions conformément aux Écritures, éviter des questions qui vont, qui vont susciter des débats. Nous devons répondre aux questions conformément aux Écritures et éviter des questions qui ne sont pas profitables, qui vont générer donc des disputes. Le récit que nous avons lu avant de passer au deuxième point, nous voyons ce docteur avait la connaissance des Écritures, parce que c'est lui-même qui a répondu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il a cité ça des Écritures en Deutéronome chapitre 6 verset 5 et Deutéronome 10 verset 12 et Lévitique 19 verset 18. Cela nous montre que certaines personnes lisent mais ne comprennent pas. Certaines lisent pour avoir la connaissance des Écritures ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Bien qu'ils aient la connaissance de la parole ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Je prie que Dieu nous aide au nom de Jésus. Deuxième point, le portrait de vrai, voisinage. Luc 10, 29 d'abord. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Jésus lui pris la parole d'un homme descend de Jérusalem à Jéricho et tombant au milieu des brigands le dépouillait, le chargeait de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Puisse le Seigneur donne la compassion au nom de Jésus. L'histoire est racontée pour expliquer qui est un voisin. C'est un homme qui est en voyage de Jérusalem à Jéricho. Il voyageait de Jérusalem à Jéricho et en cours de route, euh, on l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Il était dans le coma, à demi-mort. Peut-être cet homme, peut-être était un Israélite nous avons vu le sacrificateur est passé outre. Il n'a rien fait. Il est passé outre. Le Lévite aussi est passé outre. Mais un Samaritain étranger n'était même pas juif. Il a pris cet homme. Il l'a conduit quelque part. Il l'a amené à l'hôpital. Il a payé les factures. Il a fait même des dépôts qu'il reviendra le lendemain pour voir son état. Quelle leçon apprenons-nous Les pécheurs sont battus par le diable, dépouillés et ils sont laissés à demi-morts. N'oubliez pas que le salaire du péché, c'est la mort. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la lumière. Nous devons être comme ce Samaritain. Vous voyez des pécheurs en route, les atteindre, leur prêcher l'évangile, les conduire au Seigneur, et Dieu nous aidera à les conduire à lui au nom de Jésus. le Samaritain s'est exprimé un bon comportement de bon voisin. Dans la communauté, la société où nous vivons, plusieurs ont été battus, plusieurs ont été dépouillés. Certains sont déjà des morts Tu ne peux pas te dire, est-ce que l'auteur de, de ma tribu, de mon église, comme Dieu nous conduit, nous devons les aider au nom de Jésus. Question suivante. Qu'apprenons de la parabole du bon samaritain Quelqu'un La parabole nous enseigne que les pécheurs ont été battus par le diable. Nous sommes appelés à les conduire au salut. Merci. Les pécheurs sont battus par les activités de la vie et nous qui sommes sur la la lumière nous devons les aider. Les rencontrer au marché, dans le bus, n'importe où. Nous devons leur montrer la lumière pour les sortir de leurs conditions. Autre question, qui est ton prochain Qui est ton prochain Nos voisins sont ceux qui ont besoin de nos aides. Notre voisin, c'est tout le monde, tout le monde. Tout ce que vous rencontrez, c'est votre voisin. Il y a certaines leçons à apprendre. Dans le monde actuel est plein de dangers. Nous ne devons pas placer tous nos trésors sur la terre. L'autre leçon, nous ne devons pas mettre notre confiance en l'homme, le sacrificateur, mais il a passer outre. Le Lévite pouvait être, il est passé outre. Dieu a une manière de conduire ceux qui vont nous aider. Et ton secours vient au nom de Jésus. Le vrai amour n'a pas de barrière. Voyez, le Samaritain n'a pas dit, ah, c'est quelqu'un parmi les Juifs. Il a aidé, un étranger l'a aidé. Et le vrai amour tu ne dois pas regarder est-ce que la personne ou quelle relation il y a entre moi et telle personne. Nous devons aider que Christ nous a aimés. Il est venu du ciel pour nous aider. Et Jésus a dit à cet homme, en Luc 10 que nous avons lu, verset 37, c'est celui et Jésus le dit. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. En écoutant la parole de Dieu, comme nous recevons la parole de Dieu, après avoir prié ce que nous avons entendu, en retournant dans nos maisons, nos districts, dans nos communautés, nous devons aller faire tel que nous avons entendu. Ce n'est pas ceux qui entendent qui sont justifiés, mais ceux qui pratiquent la parole. Et je sais que par la grâce de Dieu, chacun de nous ici, nous serons pratiquants de la parole au nom de Jésus. Il dit, nous serons pratiquants de la parole au nom de Jésus. Le dernier point, la prééminence d'écouter la parole au-dessus du service. En Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Matt, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Église, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Nous allons tous choisir la bonne part au nom de Jésus. Jésus allait de lieu en lieu. Et nous savons ce qu'il faisait, prêchant la parole, enseignant, guérissant les malades et le récit, le récit dit qu'il est entré dans un certain village. Il n'y avait pas de lieu où Jésus n'allait pas. Il ne limitait pas son ministère aux villes, aux grandes villes. Il ne limitait pas ses villes et ses mouvements dans les communautés développées. Il allait dans les villages. Nous comprenons ce que c'est qu'un village. Mais il est allé dans la maison d'une certaine dame, Marthe, elle a reçu dans sa maison. Elle a appelé sa sœur. Pendant que Marie a vu Jésus, elle s'intéressa à écouter la parole à ses pieds, alors que sa sœur Marthe était occupée à servir. Ce n'est pas que fait préparer quelque chose pour Jésus est mauvais, mais la Bible dit qu'elle était, était occupée pour beaucoup de choses. On dit, Marie, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Elle avait pris du temps pour s'asseoir, écouter un peu, mais elle était occupée à plusieurs choses. Ces choses allaient même empêcher tout ce que Jésus lui disait. Maintenant, il dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma soeur me laisse servir seule. Marie, du fait que tu es au pied de Jésus, Marie, Marthe quelque part, ne veut pas dire que Marie ne veut pas ton attention. Marie va essayer de te distraire. Elle voulait la permission de Jésus pour sortir. Marie, donc Marie, tu écoutes toujours Jésus. Tu es toujours au pied de Jésus, écoutant la parole de Dieu. Peu importe les distractions, demeure au pied de Jésus. Amen. Demain au pied de Jésus, et Jésus a dit à Marthe, une chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part. Quelle part Marie a-t-elle choisi dans notre étude Quelle est cette bonne part qu'elle a choisie Elle a choisi d'écouter la parole de Dieu. Elle a choisi d'écouter la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, comme tu es venu à l'église, qu'est-ce que tu as choisi de faire Il y a beaucoup d'activités, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire. Il doit décider. Comme je vais dans la main de Dieu, je vais rendre un service, c'est vrai je peux avoir le privilège de faire une chose ou une autre, mais je dois veiller que je ne rate pas ce qui est nécessaire. Marie a choisi ce qui est nécessaire. et n'a permis à aucune distraction de Marie de lui ôter ces choses. Marie se préoccupait, agitée pour beaucoup de choses. Tout ce que, ce à quoi tu as pensé ton cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'agiter, beaucoup de choses peuvent te distraire. Peut-être quelqu'un ici, il pense à un mail quand il est au bureau, il pense à quelqu'un à visiter, il pense à quelque chose d'autre à faire. Toutes ces choses ont une manière de, te distraire. Quand Jésus passe, quand Jésus te parvient et te visite, et je sais que Jésus est là, Amen. L'église, hein. que Jésus est là, et eh, je suis que tu es prêt, assis à le recevoir, n'est-ce pas? Comme tu es assis, Détourne ta pensée, ton cœur de ces obstacles. Détourne tes pensées de ces activités qui peuvent t'agiter. Tes devoirs qu'on t'a donnés, devoirs qui viendront, ôte ta pensée de ces choses. Qu'aucune de ces choses t'empêche de recevoir le meilleur. Allons dans Ecclésiaste chapitre 5. ecclésias 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Garde ton pied quand tu vas à l'étude biblique. Quand tu vas à la réunion des ouvriers. Fais attention à toi quand tu vas dans la maison de Dieu. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Sois prêt à écouter. Quand nous allons dans la présence de Dieu, nous devons faire un choix consciencieux. C'est Ecclésiaste 4, 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Tout ce que Jésus nous enseigne, nous comprenons mieux ce qu'il nous faut faire pour hériter la vie éternelle. je sais que par la grâce de Dieu, nous allons tous hériter la vie éternelle au nom de Jésus. Fermons les yeux comme nous allons dire dans la prière. Le nous a parlé ce matin, la parabole du bon samaritain. Nous avons vu la place des questions et réponses dans les Écritures. Nous avons aussi compris qu'il y a des questions qu'il faut éviter, des questions qui génèrent des disputes, des contentieux. Et en répondant aux questions, nous avons vu les principes à suivre. Les questions doivent être répondues selon les Écritures. Nous devons conduire ceux qui posent les questions à une profonde conviction. Quand vous, ouvrez, vous, écoutez la parole de quelqu'un, ouvert, Dieu vous parlera. Il nous révélera les choses cachées. Nous avons vu ce que c'est que le bon voisinage et ce que Dieu espère de nous. Les péchés sont battus, dépouillés en chemin. Dieu s'attend à ce que nous puissions les relever et les conduire au Sauveur pour les suivre. L'homme a dit, je viendrai le lendemain. Il vient à la croisade, nous le Le lendemain, quand nous venons à la présence du Seigneur, nous devons être prêts à écouter. Soyez comme Marie. Ne soyez pas agité par plusieurs activités pendant que vous êtes dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père, nous te remercions pour main dont tu nous as parlé. Nous bénissons ton nom. Nous sommes reconnaissants Là, nous devons prendre les corrections. Nous acceptons ta parole et nous acceptons ces corrections au nom de Jésus. Aide-nous à être pratiquants de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.